pour euh, ñu xam nan lañ koy xeexee xam lan corruption ce lan mooy guerre, ce nan lañ koy donc nous avons des projet bi activité nag yu bëri am na ci ay formation am euh, diagnostic des secteurs vulnérables la corruption des ci ay planification d'activité, mise en œuvre d'activités, activité am na ci ak suivi stratégie bu la stratégie de prévention et de lutte contre la corruption ñeent euh, juróomi ponk moko lal il faut accepter d'abord la corruption nous avons stratégie bu stop mom ñu secteur les secteurs vulnérables Nous bi planifier les activités ak les mettre en œuvre et les suivre évaluation euh, C'est une initiative lancée par ENDA EcoVoc en 2019, une initiative de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment de capitaux, financée par l'Union européenne dans cette collectivité territoriale du Sénégal donc Kayar, Nangalma, Djurbel, Dalifor, euh, Sejou, Kedougou et Djaoube Kabendo. Donc c'est un, projet qui vise à renforcer les capacités des acteurs en termes de lutte contre la corruption, de les sensibiliser sur la lutte contre la corruption, mais aussi de les capaciter sur euh, des outils de prévention et de lutte contre la corruption. il existe une stratégie de prévention de lutte euh, contre la corruption euh, qui est bâti sur cinq étapes. Mhm. La première étape, c'est accepter. La deuxième, c'est euh, bâtir une stratégie. La troisième, c'est le diagnostic des secteurs vulnérables à la corruption, la cartographie des acteurs. Mhm. Euh, le quatrième, c'est la mise en œuvre de ces activités. Et le cinquième, c'est l'évaluation.